je vais lui en parler et le staff aussi surtout le staff son staff nan lañ utiliser boy Sadio Mané. nan lañ utiliser nan lañ utiliser. en tant que consultant yo ils ko pas nan lañ utiliser. ni ko utiliser ñom la soit dañ ko parce que bo xolé Sadio Mané sa force la force de pénétration. Sadio Mané coupe du monde ben rythme le football amul ben yoon bu def coup de rein day jël bal bi détaché wu ko football nang taxaw moo tax ma ne ben il est trop fatigué dañ ko chargé wala ñaar boy, bi dañ ko bàyyi mon noppalu de trop parce qu'il est totalement passé à côté totalement passé à côté. passé à côté ci cours, xam ne Amdi, Mon di le seul sénégalais bu football final Ligue des champions tey ji fu ñu tudd ñoom Eto'o ak Drogba Madjer tout lañ koy tudd. gis nga du excuse un joueur professionnel y' a pas y' a pas d' Ben, métier la muy football C'est ci football lañ ko xamee grand joueur une grande compétition c'est bien il a fait une finale peut-être le seul joueur sénégalais mais regardez la façon comment il joue à Liverpool et comment on l'utilise dans notre équipe nationale vous avez un rythme de football un changement de rythme une force de pénétration il muy faral di def nga xam ne un atome mais defu ci dara cette année. match man premier match là que seetaan ma nouveau tactique on peut rien lui dire parce que dafa venu def ak groupe mais deuxième match troisième match Là, on ne qui? sama gars yi dañ ko charger a ko lu mu atunul physiquement. teg ko lu mu atunul si entraînement yi. wala tamit yaa a bot équipe beeg affaire non non non non du loolu L'ol mental côté mental côté mental Moi je parle physiquement quand il court on voit que Ben il est fatigué il a il s'est pas entraîné on a noppal de trop ou parce que des jours comme ça quand il y a des jours qui font plus de 64 matchs par, par saison boy mu football champion euh, football final li nga waro njëkk def ci mom moy jël ko ber ko à côté benn entraînement la mën muy des accélérations doo ko defloo physique accélération li muy retrouver ci bir match lay ñëw ngay ñëw moy def ko ay cinq minutes cinq mètres yoo xamante ak day accélérer mu joxe bopam wala 10 mètres wala 15 mètres nga noppal ko kooku bu demaatee ci match le muy le mu doon football Liverpool mu lay ñaar football mais je ne vois pas notre staff là am xel buñ ko football lool ben dañ ko charger wala ben wala ñaar ñu noppal ko motax boy passé complètement à côté il est passé à côté il a un jour comme ça nga fait une coupe du monde pour une première fois il n'est même pas sûr qu'il sera encore là en équipe nationale d'ici 4 ans nga xam c'est dernier recours dernière chance je pense qu'il pouvait faire mieux que ça